Assalamu alaikum, professeur euh, Yerim Banik Diop. Wa alaikum salam, euh, Georges Détier yow yaay directeur de la pharmacie et du médicament ci ministère de la santé de l'action sociale ma fas yéene ak euh, Mouhamed Alioune Ba ci euh, waxtaan wi euh, coow li nag barki démb ba léegi moo di médicament yooyu nga xamante ne ñu ne bëri nañ lool ñu teg leen loxo police teg leen loxo ndax jaarul circuit normal faux médicament la ak wala médicament yi nga xamante ne dañ koo trafiqué li leer mooy yéen a signalé mbir ma.

dañoo tàmbali une inspection depuis le mois de septembre sur tout le euh, territoire sénégalais le 5 bi ñu tàmbali benn dem Kolda pour benn affaire bi ñu vérifier ñu avons see nak si luñ suñu mbokk pharmacien du syndicat jox benn information après inspecteur principal à la DPM wax ak euh, commissaire euh, commissariat urbain. Mhm. police pour ñu xool naka la ñuy saytoo mbir bi ba teg leen en flagrant délit léegi nag détails yi xaw ma ko. en tant que directeur. mais noonu la ñuy def ba appréhender six personnes ci gàttal visiter locaux yi fekk benn euh, immeuble de deux étages bu am garab yu bëree bëree bëree bëree ak ay dispositifs médicaux donc euh, garab nag saa yu génnee si fu mu war a nekk parce que c'est la la pharmacie et c'est un ensemble de professions réglementées Maintenant, il y a des par la loi donc garab le dispositif suñ koy le fu ko warul fu faux la ce ko OMS quoi même si baax bi su nekké fu warul on les considère comme faux médicaments donc euh, c'est gàttal euh, l'enquête suit son cours parce que xam ñu ampleur bi donc euh, maa ngi siy profité di jaajëfal euh, ñi may liggéeyal mooy pharmacien nga xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi def les efforts pour la sécurité sanitaire des produits de santé di jaajëfal aussi waa waa police euh, commissariat de police yàgg nañ liggéey ak ñoom ak yeneen auxiliaires yi nga xam ne dañuy liggéey ak autorité ministère de la santé si wàlli aar garab yi. Mm-hmm. mooy la douane ak ñëpp ñëpp vraiment war nañ leen remercier man nag <coughs> nu mu ko jàngatee awma si plaisir.

ok yow laaj boobu yow lañ koy laaj ndax est-ce que amul feneen fi nga xamante ne xëy nañ njort ngeen ni ba mbir mi euh, door ci ay enquête ak lu ni mel du secret ñëpp xam nañ kër sëriñ bi fii ñëpp xam nañ ko xam nañ ne ay garab ñu ngi fa ñu ngi koy jaay ci lu dëppuwul ak yoon xam nañ ko ñun nag du ñu ay ay ay ay ay professionnel de santé lañu justement c'est pas nouveau lii ñu euh, ñuy ay garab yi melni té ku nek day gis euh, lég euh nit ñi di jaay ay garab à gauche à droite ci fii Dakar wala ci yeneen région mm-hmm. yéen est-ce que sentir nga en réalité nguur gi bëgg na xeex ma euh, médicament yu mel non réellement mais ci lañ nek xam nga li ci xeex bi la bok li ñu def ni et puis chaque pendant toute l'année de 2020 bi passé yi ñu génn ak 2019 sax plusieurs fois douane génn na di wane ay saisie de médicaments plusieurs fois donc nguur gi mu ngi xeex loolu peut-être xex bi dafa doyul léegi nak lolu dañ ko a analyser ko quoi sur le plan des statuts des institutions en charge de cette problématique est-ce que institution yi mën nañu xex lolu c'est-à-dire c'est-à-dire. c'est ma nee institutions de la pharmacie nu mu dit ni que mom la denk muy la sécurité sanitaire des produits de santé est-ce que am moyen yu mu defee cette lutte. expliquez nous oui bah, da ngaa peut être dañ ko war réformer wala. réforme c'est inscrit dans dans le plan d'investissement sectoriel du ministère de la santé C'est une réforme bien inscrite pour donner plus de moyens à la direction de la pharmacie pour mu mën a di am ay inspecteurs yu doy di inspecter toutes les structures yoo xam ne garab na fa y compris les structures de santé donc questionnement ensuite est ce que sur le plan de la loi est ce qu'on a des lois suffisamment persuasive ou dissuasive pour que nous, le loolu une autre question est-ce que sur le plan réglementaire toutes les dispositions sont prises pour réglementer tout cet arsenal qu'on appelle produit de santé dafa y a beaucoup de comme cas peut-être peut-être euh, je suppose il hein, flacons ait les les les solutés massifs il y ñu bëri ñoo professionnels qui sax des médicaments dañ koy classé comme dispositif donc a aussi. c'est des failles quoi. je pense c'est des c'est des choses qu'on doit revoir dans nos textes réglementaires pour bien identifier chaque chose et bien légiférer sur chaque chose et même ay ensuite sur la répression même de la. hors des pharmaciens nee na dañoo criminaliser le trafic c'est criminalisé ça c'est-à-dire euh, c'est criminalisé Il faut la loi qui criminalise le trafic des faux médicaments et là l'exercice illégal loi mon la laa projet Ramener euh, avec euh, maître Massokhna qui donne diriger la commission de lutte contre les faux médicaments ils avaient fait un bon benchmark sur toutes les lois relatives à ce domaine le trafic de faux médicaments pour nous produire une loi spéciale qu'on doit adopter loi bi depuis donc.

C'est des réformes urgentes que le président de la République avait demandées pour booster le secteur pharmaceutique. Nous avons pour une souveraineté thérapeutique, souveraineté pharmaceutique sur le pays. Par exemple, accompagner des faux médicaments, des faux vendeurs, des trafic illicite. Ce n'est pas possible. Donc, ces réformes sont urgentes. Il faut nous réformer. Tout ça pour que nous, nous investir pour faire le Sénégal, xam dañ ko def sans être concurrencé par du déloyal par mais ci lolu yow concrètement dama bëggoon nga répondre euh, de manière sincère mm-hmm. ñan ñoy importer médicaments yoy faux boobu parce que quand même yàgg na fi Sénégal c'est des milliards qui sont en jeu concrètement yow mi xam yëfi diinu ñan ñoy importer généralement loolu euh, xam nga dafa melni ni dama xam affaire bi ci gëmm sama bët tout ce que je dis là est sincère man duma duma du waxantu wala may jéem protéger quoi que ce soit s'il y a des failles dans notre système je le dis sincèrement mais pour te dire que qui moo def ak kii m'a koy def yalla xam xaw généralement ñan la ban genre ah, xam nga. parce que c'est des milliards qui sont en jeu hein. légalement c'est-à-dire il y a des structures qui sont autorisées à importer des médicaments parle de bien des médicaments les grossistes répartiteurs publics et privés il y en a quatre au Sénégal a cinq comme ñoom Laborex ak ñu importer des médicaments et il y a des conditionnalités pour importer des médicaments un médicament est défini dans la loi mais un médicament doit avoir une autorisation de mise sur le marché pour ñu mën ko au Sénégal. Hmm. wala l'utiliser de façon spéciale parce que tamit yow mis sur le médecin prescrit les médicament qui sont amul Sénégal tu as le droit de le réclamer su boobaa pharmacien bi mën demander d'importer spécialement ces médicaments pour vous donc il y a des cas, mais dans tous les cas tout médicament qui entre sur le Sénégal nous pouvons utiliser pour autorisation de l'autorité, le du ministère de la santé Les gens qui ont cadre on le classe dans le faux situation bi nous donnons, on la demee. justement ci situation bi euh, euh, faux médicaments euh, ñi structure de vente de matériel médical la dugg ci mbirum médicament. waaw am na ci ay pharmacie xam nga dafa jaxasoo. Mhm. dafa dafa produit produit yi objet de la saisie. Mhm. amna ci c'est des produits de santé. Mhm. globalement amna ci ño xamné on les classe médicaments. c'est le cas des solutés. solutés massifs comme Dinger euh, glucose ak c'est des médicaments parce que dañ koy jam directement dans le dans leur. affaire du diabète euh, lolu problème la buñ ko buñ ko diabétique. non non sérieux vous kooku beneen affaire diabétique. <laughs> voilà mooy problème donc dañ koy dugal directement si veine bi. mu des si yooyu dafa am critère de qualité yu mu répondre de sorte que on le classe parmi les médicaments loolu il faut ñu leeral ko ñëpp xam ko y compris des pharmaciens qui hésitent encore des professionnels qui qui le classent peut-être par mégarde ou par méconnaissance dans dans les dispositifs médicaux à côté il y a des dispositifs a des dispositifs médicaux il y a des dispositifs de diagnostic in vitro il y a des matériels médicaux il y a plus de 22 000 dispositifs même appareils qui permettent de faire des des diagnostics sont considérés comme des dispositifs médicaux y a des catégories Il y a des des qualités de stérilité war ñu ko a fekk pas doir si benn benn boutique mu nekk dans des toilettes ci suuf hum. kon il faut ñu càmbaraat suñu texte yi concernant ces dispositifs pour yenn dispositifs yi ñu dugal ko dans le monopole pharmaceutique ñu koy jaay que dans les pharmacies donc moo tax ma ne am na loo xam ne ñoo war taxaw rapidement te tàmbali nañ si rapidement pour revoir tout ça on était dans une dynamique communautaire avec lui l'UEMOA qui a préparé ces textes, ces drafts de textes, mais décision bi signé guñ Au-delà des lois, est-ce que Japoni item peut-être il y a un problème de corruption dans cette dans ce, ce type d'affaires parce que euh, nous waxante dëgg amna lo xam li euh, du lii du puso loo xamante ni day euh, duñ ko gis mm-hmm. c'est des médicaments yu bëri am na fu mu jaar sur nos frontières est-ce que a sentir sentiment peut-être faille bi fofu la loolu la lay on a tout de suite une euh, rencontre entre l'ordre des pharmaciens la direction et la douane parce que nous dispositifs médicaux si je prends que les dispositifs médicaux il y a ay sociétés qui font des dispositifs médicaux dont société sociétés et dispositifs médicaux qui passent à la direction de la pharmacie chaque fois que de besoin pour importer des médicaments et on leur donne cette autorisation d'importation mais par contre, il y a des structures qui font des dispositifs médicaux, des grandes structures. Moi, je n'ai jamais vu passer leur, leur utilisation, leur demande. Déjà, ça mais deux poids, deux mesures. La douane, nous, D'une passée, des, des, des, des directement. Importer directement sans que nous nous Il y a quelque chose à faire sur, sur, le texte du fait de la sensibilité de ces produits par rapport à la population. Voilà, l'homme induire, tamit, euh, les, les auxiliaires qui sont les douaniers, auxiliaire, auxiliaire dans nous l'application de la réglementation pharmaceutique. Il faut l'entendre sous cet angle. Mhm. On est induit en erreur. Donc, il faut nous de bonne foi nous régler le cadrage réglementaire qu'il faut. Les faut am nous rek, mon corruption. Quand il y a de l'argent en jeu, c'est possible. Partout, dans tous les milieux. si on veut être un Sénégal émergent, émergent, vraiment émergent en vrai du terme. Toutes ces pratiques-là doivent être bannies. Ce n'est pas de la veille, mm. mais il faut que chacun dans son domaine de compétences, il gérer, vous dites, si l'or. Donc, je reviens sur un autre aspect, c'est les solutions technologiques. Il faut que nous collègues avec avec la euh, le digital il y a beaucoup de choses qui xam ne marquées médicaments éventuellement pour pouvoir les tracer dès qu'ils entrent au Sénégal les authentifier et les tracer le secure track and trace et c'est mmh. pratiquement appliqué dans tout le monde le, monde moderne et nous aussi on travaille dans ce sens-là et le euh, euh, principe bu aussi moi protéger le bon le bon qui est authentifier, contrôler, vérifier et marquer pour lutter contre le faux. Parce que constater le dégât du faux, on a vu du faux, mais combien est passé, c'est une, autre question. Mhm. Donc, là aussi, je pense que si on met nos énergies sur le plan technologique à protéger le bon, tout ce qui est bon, y compris la bonne personne, le bon médecin, parce que dès que l'histoire de faux médecin, mais juste ma fa laa ndax mbir mi ci coow li euh, xam nga bu ñuy naan faux sax dañuy naan ay faussaires yeeg ñom ñoo ñoo koy gën di lijjante mais bi pas même si il bénéficie de présomption de la présomption d'innocence mais bi pas dañ ci tudd ay pharmacien ñi yëngu ci mbir mi euh, supposé ñi nga xamante ñoo waroon xex sax euh yi mm, lépp lu jëm ci walum faux médicament waaw xam nga loolu la wax mané man loolu tax mané ne kontaanuma si c'est-à-dire je suis pas extra je suis pas heureux parce que. Mhm. pharmacien parce que hmm. je suis avant tout professeur d'université. Mhm. et je les connais personnellement personnellement je les connais. donc hmm. kenn ki xam naa ko donc euh, et ça me surprend de cette personne que je connais donc peut-être pour man il peut être induit en erreur parce que a aussi il travaille dans les institutions il y a Une erreur, c'est-à-dire euh, Je sais pas, il peut. Erreur de jugement, voilà, comme tu dis, c'est-à-dire euh, erreur d'appréciation. Là, il y a le mot Mais dans le euh, tu vois, circonstance atténuante. Dans la yakar. Parce que comme je le connais, tu vois, ça m'a surpris. Moi, j'étais un peu ébahi. du tout du coup, c'est affaire Mais là, c'est dans l'ordre du possible parce que aussi euh, il faut que ñun ñii c'est garab ñuy ooyee pharmacien l'homme du médicament qui revendiquons le monopole du médicament il faut defaraat suñu toogaay bu baax dans toutes les pratiques nak la wax am na hein? parce que mbir mi yemul ko ci ñi nga xamantene ne euh dougal euh, médicament ci marché bi mais ñi nga xamantene ne nek nekk structure yi kay jënd fa la danger bi fété wo pourquoi warul am ay garantie pour ñu xamné qui moo may amna am gi këyit gii wane médicament bi waruma ko wala jaarul yoon. xam nga lool euh, loi bi daf ko teurel les circuits sont bien identifiés. les circuits de distribution sont très bien identifiés il y' a peut-être. kon amna laxisme ci euh, ñi approvisionné il y' a un gap. dans la partie dispositifs médicaux. c'est un gap sur le plan des textes. ça on le reconnaît donc lool mën nañu ko corriger mais les circuits sont bien connu les circuits licites de distribution def voilà un profil un un profil la profil ah, situation dans la suite des événements ça peut nous révéler beaucoup de choses mais lol ñu ngi koy xaar xamna ci enquête bi li ñu cëraloon ci waxtu jeexna na <laughs> jërëjëf euh, professeur Yérim Mbagnick Diop xam naa danañ am yeneen i ëtt yi nga xamante ñu gën waxtaan lu lu jëm ci walu ba médicament ndax lu am solo la euh, santé wu askan wi euh, mom mom la mbir moomee engagé directeur de la pharmacie et du médicament ci ministère de la santé et de l'action sociale jërëjëf Mohamed Ali